Sakibou bu nous sommes vers une situation importante pour notre pays parce que le président Macky Sall veut encore modifier la constitution deux ans après son référendum. Euh, la loi sur le parrainage, j'ai l'impression que nous n'avons pas tenu tout le contenu de cette loi. J'ai entendu beaucoup de Sénégalais se pencher sur la limitation des éventuels candidats, mais je crois que cette loi va au-delà parce qu'il va permettre au régime actuel de pouvoir connaître les forces et les faiblesses des différents candidats après les parrainages qu'ils auront à travers le Sénégal. Mais ils auront également à disposition tous les renseignements concernant les Sénégalaises et les Sénégalais qui auront parrainer des candidats et de ce fait, c'est là où commencera le vol parce qu'ils vont se mettre derrière ces, Sénégalaises et ces Sénégalais pour aller les démarcher. Je pense qu'il y a... la loi se présente pour moi sur un triple objectif. Le premier, c'est d'abord éliminer une partie des candidatures. Voyez, il faut que nous soyons forts. Macky Sall éliminera, éliminera un certain nombre de Sénégalais. Mais ces Sénégalais, les Sénégalais qui allaient voter pour ces candidats, sont contre le président Macky Sall et je suis sûr qu'ils vont se reporter sur les candidats qui seront parrainés par les Sénégalais. Il est en train de perdre son temps. Mais le deuxième objectif plus vicieux, c'est celui de connaître pour chaque candidat là où il est fort et là où il est faible, suivant les parrainages. Et le troisième objectif, ils auront, comme je viens de le dire, à disposition tous les listings qui leur permettront d'aller à Kaolack, de voir les parrains, les parrains d'un candidat à la présidentielle. Comme d'après ce que nous avons vu, la déclaration de Ali Ndiaye, qui a dit que l'Umko Djaral Djaral Nakoko, L'Umko jaral jaral pour Macky Sall au premier tour celui-là si on ne fait pas attention il va nous flouer donc nous demandons que le président Macky Sall désigne une personnalité neutre pour l'organisation de la présidentielle prochaine kon bi commencer suba dañu dem place Washington pour protester contre la présence de Ali au ministère de l'Intérieur ou pour l'organisation des élections nous nañ ko ndaxte dañu bëgg ñu préparer suñu manifestation devant l'Assemblée nationale à l'occasion du vote sur la loi sur le parrainage parce que lolu mo ëpp solo

sal nous nañu fexé ñun ñuy parce que nous avons voter cette loi par une procédure d'urgence convoqué demain le bureau de l'Assemblée et la conférence des présidents c'est pour valider cette forfaiture Nous bañ dañu bëgg bet, mais soyez prêts semaine nous nous devant l'Assemblée nationale manifester contre notre désaccord par rapport à cette loi